et que de plus en plus, même dans les démocraties occidentales, euh, il faut de grandes coalitions, de fortes coalitions pour euh, gagner des élections de manière franche et, claire. Donc ça, on peut le comprendre, on peut lire euh, cette coalition à l'aune de cette réalité-là qui est aujourd'hui mondiale. Mais au-delà, je pense qu'il faut se pencher sur certains déterminants de plus en plus, on, voit que c'est presque une opinion fast-food. Ils n'ont plus le temps de, déchiffrer ou d'essayer de, comprendre des programmes, etc. Donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est des solutions tout de suite et des solutions toutes faites. Et en réalité, certaines coalitions vont ensemble parce qu'ils se retrouvent autour des mêmes solutions. Et d'ailleurs, de plus en plus, vous voyez, partie de gauche, partie de droite, d'ailleurs, l'idéologie, on n'en parle plus. Mm. C'est aujourd'hui, on cherche des solutions. Voilà, solution fast-food. Donc l'idée ici, euh, c'est d'aller ensemble pour trouver une solution face à un adversaire qui se dit hyper hégémonique. Ça aussi, ça peut être un déterminant. L'autre déterminant des coalitions, et d'ailleurs Maurice Duverger, depuis 1950, c'est dire que donc il y a, plus de 70 ans, c'est penché sur les réalités des coalitions, avant même l'heure, pour dire que, ayant vu le mode de scrutin français, avait dit qu'on ira vers de fortes coalitions parce que le mode de scrutin ne plaide pas pour des partis seuls qui aillent en élection, en, élection pour les gagner. Donc lui avait dit que mhm. les modes de scrutin sont des facteurs qui vont pousser les partis à aller ensemble. Et la réalité sénégalaise est qu'on a un mode de scrutin tellement compliqué mhm. que qu'il suffit qu'un parti, on l'a vu lors des législatives, s'ils étaient en, ensemble, seuls en bloc face à euh, Bueno ils auraient gagné. Mais le mode de scrutin est tellement compliqué, tellement sophistiqué et avec beaucoup de peau de banane, qu'en réalité, euh, aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris cela et donc ils ont voulu aller en coalition. L'autre facteur, c'est que en général, en période de crise aussi, euh, les acteurs ont tendance à s'oublier, sentant le danger venir de l'autre côté, pour essayer d'aller ensemble. Sinon, on risque de, revivre le même, le, même, le même phénomène que pour les législatives. Donc je pense qu'ils ont compris tout ça mm. et qu'ils ont voulu aller en, coalition. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques loupés. Oui, alors, nous reviendrons bien entendu sur ces loupés-là, mhm. parce que euh, vous avez parlé de, de blocs. Euh, c'est ce bloc homogène qu'ils avaient euh, promis aux populations, aux, Sénégalais. Mais à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé à San Diomboro Sec. Le PDS a dit non, Pape, de, de Boko Gis avant, il y a eu d'autres partis. quelle explication faut-il en faire Il n'y a pas eu finalement cette grande unité. Merci beaucoup, Yabinta. Euh, <coughs> Permettez-moi euh, de, saluer à nouveau mon frère, euh, oui. Mamoudou. et m'incliner sur, la mémoire de nos illustres disparus, mhm. avec ce, surtout avec cette période de Covid, mhm. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son firdaus. il me semble que la question des coalitions, aujourd'hui, mérite qu'on s'attarde un peu sur, sur la notion et moins sur le contexte. Et sur la, du point de vue de la notion, je pense que du point de vue des principes, il, n'y a pas de problème à ce que euh, des partis politiques se, regroupent dans un cadre que l'on appelle coalition euh, pour mettre en œuvre l'objectif commun et pour euh, naturellement s'interdire mutuellement, parce que c'est ça le principe d'une coalition, s'interdire mutuellement euh, d'inscrire leurs actions dans un cadre autre que leur cadre unitaire. De ce point de vue, du point de vue des principes, c'est une chose extraordinaire, c'est une excellente chose mm. que d'aller en coalition dans un contexte électoral. Maintenant, euh, dans la coalition, qui sont coalisés, Qui sont dans la qui, sont les composantes de la coalition si on lit un peu les dernières élections et que l'on s'en limite à une analyse fondée sur l'indicateur quantitatif des dernières élections, on risque de dire tout simplement qu'effectivement, dans cette coalition-là, du point de vue quantitatif, hmm. il ne pèse pas l'eau. Parce que si l'on s'en fie au seul indicateur des, des derniers législatives, de par la représentation parlementaire. Hmm. Mais je pense que nous ne devons pas nous limiter à cette analyse. Parce que si l'on s'en fie à cette analyse, oui, le PDS est un poids lourd. Et le PDS risque, risquerait, de ce point de vue-là, d'impacter considérablement, véritablement, sur l'impact réel que, ce, euh, que ce, ce, cadre unitaire, que cette, coalition, que, que cette coalition pouvait avoir. Cependant, il nous faut aussi pousser l'analyse pour voir que le contexte a évolué. Des législatives jusqu'à nos jours, le contexte a évolué. Ça, nous n'avons pas besoin de sondage pour pouvoir confirmer qu'il y a une nouvelle configuration, n'est-ce pas, de l'espace politique. Parce que la donne qu'il nous faut, qui est une représentation que nous ne devons pas ignorer, c'est les événements du 3 et 4 mars. Les événements du 3 et 4 mars constituent un repère maintenant historique dans la lecture maintenant des faits et dans l'analyse naturellement. Parce que ces événements-là, ils se sont produits dans un contexte particulier. Nous ne pouvons pas l'imputer à Massambani, ni à Mademba, c'est-à-dire nous ne saurons l'imputer à Sonko ou à une autre personne, mais on, on, on pourrait comprendre tout simplement que cet événement-là est un événement qui a été boosté par l'opposition et en tout cas une partie de la société civile. Ça, il faut le reconnaître de la même manière que le 23 juin l'a été, c'est de la même manière que les événements du 3 et 4 mars l'ont été dans ça, pendant cette période. Et depuis cette période-là, il faut voir que c'est une période repère, à mon avis. Depuis cette période-là, il faut voir qu'il faut avoir une autre vision, n'est-ce pas, de la configuration politique. Parce qu'il y a eu des positionnements et des repositionnements. Absolument. Nous ne pouvons pas le nier. La force de frappe de Ousmane Sonko, on ne peut pas nier ça. Je pense qu'il faut être aveugle pour essayer de le nier. Les 40% que pourrait représenter au moins Macky Sall, il ne faut pas qu'on le nie. Mm. L'histoire politique du Sénégal a fini de démontrer que les régimes politiques qui tombent au Sénégal tombent avec un minimum de 40% Ça veut dire que quand on est majoritaire au Sénégal, la lecture des faits, c'est-à-dire si on fait de l'analyse politique, nous permet de comprendre tout simplement que, au moins, nos régimes politiques au pouvoir tournent autour d'un minimum de 40%. Ça veut dire que Maki aussi est une force de frappe. Cela veut dire que, si on a une bonne lecture, tout regroupement autour de Macky Sall est une grande coalition. Tout regroupement autour de Sonko devient une grande coalition. C'est ça la triste réalité. en fait, si c'est une réalité triste ou bonne, <laughs> je ne fais pas de jugement, mais en tout cas, c'est ça la réalité. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Cependant, il ne faut pas qu'on nie l'existence d'autres pôles, parce que d'autres pôles peuvent venir, n'est-ce pas, et se créer autour de, ces deux grands pôles. Mm. Mais ce qu'il faut noter au Sénégal, c'est que nous allons vers une, euh, bipolarisation du, du, système politique, de l'espace politique, comme ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est institutionnel avec euh, démocrates et républicains. En France, euh, c'est quasi institutionnel, parce qu'avec gauche et droite, parce que même si on est extrême gauche ou extrême droite, on est de la droite ou de la gauche, c'est sera la même chose au Sénégal. On sera de l'opposition ou du pouvoir, même si on est dans l'opposition et dans l'extrême opposition, on sera toujours dans l'opposition. Il y aura une bipolarisation entre majorité et, naturellement opposition. Vous avez fait état tantôt de, tantôt de la capacité de nuisance du, PDS, mais on a vu à l'arrivée ce qui s'est passé, au Sek. du le, mhm. PDS a, fait faux bond mhm. à Askanoui. Mhm. Euh, quelle lecture faut-il faire de, cette volte-face du PDS Alors, euh, moi je dis toujours, parlant du PDS, on risque d'aller dans des conjectures. Si à chaque fois on cherche à donner une intelligibilité à leur position. Hmm. Voici un parti, euh, je suis tenté de paraphraser Georges-Marc Benamou qui disait de Sarkozy que c'est un grand accidenté quand il a perdu les élections. Hmm. Un grand accidenté, il faut euh, le soigner physiquement et l'accompagner psychologiquement. J'ai l'impression que le Parti démocratique sénégalais n'a pas réussi à faire cette, cette, cette, euh, cette cure-là. Oui. Euh, pour arriver à déjà faire le deuil de son, départ du, pouvoir mm. et surtout arriver à se, redorer le blason. Mm. Euh, au lendemain de, de, de, la présidentielle 2012, on a vu une, un parti démocratique sénégalais qui frémissait quand même, parce qu'il y avait un débat contradictoire à l'intérieur. On se rappelle de la sortie très fracassante de Mourdiane Fada et d'autres mm. qui sont venus devant le président Abdoulaye Wade qui ont dit ce qu'ils pensaient. En réalité, je pense que c'était la bonne dynamique, c'est-à-dire accepter que les contradictions se fassent en interne pour pouvoir maintenant arriver à faire le deuil, à se parler, faire une introspection et se remettre sur les bonnes euh, rails. Ils ne l'ont pas fait. Pas moins de 20 partis sont nés des flancs du Parti démocratique sénégalais depuis 2012, voire plus. Je dis pas moins parce que je, je ne prends pas le risque de compter, mais je pense que plus de 20 partis sont nés des flancs du Parti démocratique sénégalais. Et ils n'ont pas su aussi, parce que la, réalité est que la vie politique aussi, c'est comme un secteur privé. Hein. Il peut arriver un moment où votre logo est, poussiéreux mm. et qu'il faut le dépoussiérer. Il faut relancer le débat. Il faut euh, redorer son blason, etc. Ce n'est pas pour rien que Renault a refait son losange là suite au, problème avec Carlos Ghosn. Parce que, en réalité, ça peut entacher une image. Mm. Le PDS n'a pas su faire cela. Il aurait fallu euh, reprendre la base, refaire certains, revoir certains principes et puis renouveler le Parti social, démocratique sénégalais. Parce que je pense que à 96 ans révolus, on ne peut plus diriger un parti aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de la modernité, un, pays où on a une majorité de jeunes à 96 ans, si vous voulez enrôler les jeunes, je pense que c'est une vraie perte de morceaux. Alors, je pense que déjà ça, sur le principe, il faut le fixer euh, et comprendre que maintenant, euh, certaines positions du Parti démocratique sénégalais, il n'y a que qui le comprennent. Mm. J'ai l'impression que c'est fait d'atermoiement, de compromission euh, et de caprice de certains. Et, les observateurs qui disent que si Ouad ne, ne, prend pas de, de position, mm-hmm. c'est parce qu'il veut que Karim Ouad soit devant. Tout à fait, non. De toute façon, le PDS euh, on comprend qu'il y a un chef officiel et un chef officiel. C'est ça la réalité. Mm. Abdoulaye Wad qui chauffe le fauteuil pour son fils qui n'a exprimé aucune forme d'appétence au mm. pouvoir. Mm. On n'a jamais entendu Karim Wad dire qu'il veut. Euh, qui plus est, il traîne aujourd'hui un contentieux judiciaire qu'il faut d'abord régler. Donc, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer ces va-et-vient, ces hésitations, c'est, on l'a vu même pour, pour le dialogue politique. Jusqu'à la veille, ils avaient annoncé leur présence. Ce qui leur a valu d'ailleurs le départ de Omar Sarr. Parce que, quelle que soient par ailleurs ses positions, une personne comme Omar Sarr, on ne peut pas engager, l'engager dans un dialogue jusqu'à la veille et lui dire de se retirer et qu'il se retire sans explication. Donc c'est dire que le PDS, la réalité est que euh, analyser les positions et le comportement du PDS aujourd'hui, risque de nous, de, de, nous faire aller vers des conjectures et des, et, des, et des erreurs d'analyse. Parce qu'en réalité, je pense qu'on le disait quand ils étaient au pouvoir, tout dépend de la constante. Et ce qui caractérise cette constante, c'est son inconstance. Alors, il y a eu d'abord euh, euh, euh Sek, euh, Mbaye, l'ancien Premier ministre, Pape Diop, qui ont laissé, et d'autres hein, qui ont laissé entendre que oui, et est une alliance qui renferme beaucoup de zones d'ombre et de non-dits. Est-ce que cela veut dire que s'il n'y a pas cette grande unité, cette union sacrée, c'est cette absence de confiance qui fait défaut des acteurs oui, en, fait, de, coalition, il faut reconnaître que une élection, ça se gagne à la décompte de voix. On mhm. compte des voix. C'est aussi simple que ça. Mhm. C'est ça l'aspect quantitatif des élections. Mais il faut voir que, donc, plus on ratisse large, plus on a plus de chances. Parce que, que ce soit Abdoul euh, que ce soit Bokoum, chacun a son pesant. Euh, même euh, si on, essaie de le minimiser, mais il pèse quelque chose. Mhm. Cependant, je pense que dans un processus de coalition, si l'on s'en fie aux contemporains, ça commence toujours par une formation. Mhm. Ensuite arrive l'époque des divergences, où euh, on, on est dans la confrontation. C'est-à-dire, c'est après une formation, il y a une confrontation. On se forme, on est là parce qu'on a un objectif commun, on dit oui, on va ensemble. Mais on va ensemble, après les gens commencent à parler d'ego. Mais, je considère qu'il n'y a pas un problème d'ego réellement dans ah la coalition. Il n'y a pas un problème d'ego. Il y a un problème de conflit de leadership qui est tout à fait naturel dans la dynamique du groupe. C'est tout à fait normal. Maintenant, la chose c'est que comment ils vont traverser cette zone de turbulence Parce que c'est ça la série période de turbulence, n'est-ce pas, des coalitions. Hmm. Beaucoup de coalitions n'ont pas survécu, n'est-ce pas, à cette période-là de turbulence. Mais passé cette période-là, ils pourront être dans une période de consolidation et de pouvoir euh, travailler, n'est-ce pas, à pouvoir euh, consolider, à réaliser leur objectif. Cela est possible. Mm. Maintenant, qu'est-ce que pèsent ceux qui ne sont pas dans la coalition Ça, on ne saurait le dire d'emblée. Mm. Effectivement, comme l'a dit mon frère euh, Moumoudou, effectivement, c'est comme un match de football. On ne gagne pas un match de football avant le match. On ne peut pas gagner des élections aussi avant euh, le jour des élections, bien entendu. Mais dans l'analyse, on peut analyser à partir des faits qui nous permettent d'avoir une configuration, une configuration quantitative, nest de l'électorat, naturellement. De cette analyse-là, euh, quand j'ai dit tout à l'heure que euh, les faits de, depuis 3 mars donnent une nouvelle configuration, la lecture aussi des réseaux sociaux Parfois, on dit que mais oui, les jeunes dans les réseaux sociaux, effectivement, ne constituent pas, on a tendance à les minimiser ou bien pour dire que les élections, ce pas des élections des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, hmm. c'est comme euh, du temps du prophète, euh, ce que la lecture représentait. C'est celui qui ne sait pas lire, il est analphabète. Hmm. Celui qui ne sait pas aussi euh, accéder. Donc, c'est un outil qui est extrêmement important, qui hmm. force. Celui qui le détient, détient une force. Il faut le reconnaître. Donc, si on fonde notre analyse sur ces aspects-là, il faut reconnaître qu'effectivement, la coalition peut être, n'est-ce pas, une coalition assez forte. Maintenant, le PDS ici, son poids, en réalité, moi, je ne crois pas, une seule fois, que le PDS entend sortir de cette coalition. Jusqu'à présent, ah dans sa démarche, hmm. le PDS n'a pas renoncé à la coalition. C'est la lecture que j'ai. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Parce que l'acte que parle le président Ouad est en train de poser, mais c'est du réel politique. Hmm. Parce que la réalité est que le président Ouad, aujourd'hui, automatiquement, il a convoqué ses troupes comme un chef de guerre. Pour vendre les cartes. Pour vendre des cartes. C'est une réponse à une situation. Parce qu'il y a une guerre, une guerre de leadership dès la formation. La guerre de positionnement, elle est transversale, elle traverse toutes les étapes, n'est-ce pas, du processus de création, n'est-ce pas, d'une coalition. Naturellement, Ouad le sait, il n'attend pas la prochaine étape. Il déclare la guerre aussitôt. Dans tous les conflits dans le monde, regardez ce qui se passe partout dans le monde. Chaque fois qu'il y a un conflit, nous qui enseignons le management des conflits, chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, qu'est-ce qui se passe Avant que l'on se retrouve autour d'une table, il y a toujours que des gens qui ont sorti des armes à gauche, à droite. C'est pour pousser, n'est-ce pas, à ce qu'on aille vers la résolution du problème. Parce que si on n'est pas en guerre, on ne peut pas se retrouver autour d'une table. Wad a envie à ce qu'on le prenne en charge, ce qu'on le prenne en charge dans toute sa dimension parce qu'il considère qu'il a plus de leadership. Cela maintenant, il y a une confrontation avec la représentation aujourd'hui de Sonko, il faut le reconnaître. Maintenant, effectivement, c'est cette guerre-là qu'il nous faut, que nous avons aujourd'hui sur la table. Mais il ne faut pas considérer qu'effectivement, c'est une porte fermée c'est une chose qui peut se régler mhm. et que ces deux partis-là peuvent se retrouver bien avant les élections. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cet égo-là euh, mhm. qui risque de, perdre euh, cette, union sacrée On a quand même entendu tout au début le PDS dire « nous ne sommes pas venus pour jouer le second rôle euh, Pape Diop a dit euh, mhm. ce qui se fait sans moi se fait contre moi ». On a vu Bokoum en premier dire s'il y a des zones d'ombre, c'est une coalition politicienne, il y a des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas été euh, tout ça, absence de cet égo, leadership, absence de confiance, quand même, euh, il y a des problèmes au sein de cette opposition pour une unité. Oui, bon, il faut dire que franchement, euh, d'ailleurs, on est en train de pêcher à avoir un consensus. Surtout, un, unanimisme. Bon, je pense qu'on est parti pour avoir plusieurs coalitions, hmm. sinon au moins deux. Parce que tel que c'est parti, avec les termes qui ont été sortis, assez durs, Abdoul hier a sorti des propos, je pense, qui, à coup sûr, euh, ne vont pas euh, plaider pour des retrouvailles. Parce que c'était vraiment une position très nette, euh, très claire. il faut comprendre Il faut rappeler que le CRD dont fait partie Abdoulaye est déjà dans la coalition Jotna. C'est cela. Donc c'est pour dire qu'en réalité, on est parti pour ne pas avoir une seule coalition. Euh, et ce qui d'ailleurs nous, ramène à revoir nos, tentatives de comparaison avec 2009. Parce que 2009, on avait une seule forte coalition. Benno Sigil Sénégal, avec un projet clair. Euh, bien réfléchi les assises nationales, qui étaient vraiment le bras euh, armé. Et on est allé vers les assises et ça a permis d'alimenter de, le discours, euh, d'éprouver certaines euh, divergences durant les assises pour pouvoir maintenant les résoudre dans Berno au moment des élections. Ce qu'on n'a pas ici aujourd'hui. Les coalitions, c'est forcément, comme l'a dit Hassan, c'est difficile la, vie en coalition. Euh, donc forcément, il y aura des contradictions et il faudra essayer de résoudre ces contradictions-là avant d'aller euh, vers les, élections. Et d'ailleurs, moi je dis il faut beaucoup faire attention sur les coalitions et les non-pompes euh, pour les élections locales. Je le dis parce que en réalité, mais les élections locales, c'est des questions de élections de proximité. Euh, je pense que l'acteur du milieu du, milieu hum, sportif, à la base même, peut être plus populaire, pour avoir plus de légitimité qu'un nom très pompeux, qui est très éloigné de la base, etc. Je le dis pour avoir été au cœur de la stratégie de Dembadia en 2009 face à Alliance Sopi pour toujours et Benon Sigue Sénégal. Il a donné des sueurs froides à Alliance Sopi pour toujours. Ils étaient presque à égalité jusqu'à 20 heures au moment de du dépouillement. Euh, et d'ailleurs, on n'a même pas compris, nous, comment est-ce que euh, est arrivé à, coiffer Demba au poteau. <laughs> C'est pour dire, et, pourtant, Demba, malgré le contenu qu'on lui avait donné, malgré les approches, malgré le, le, le, contenu programmatique, Demba n'avait rien utilisé de cela. Il avait juste mis en, euh, en place sa propre stratégie populaire euh, son capital de sympathie, le milieu de lutte, etc., au des Assemblées, et il est parvenu à, y arriver. Donc c'est pour dire que donc, il faudrait d'ailleurs qu'on évite de penser que cette coalition-là va être une coalition, ces coalitions hmm. vont être la panacée pour arriver au, Mais il faudra réfléchir aux bonnes investitures. Hmm. Qui investir Quelle est sa popularité Quelle est sa légitimité, sa proximité avec euh, la base, etc. Sinon, on risque vraiment de, vivre des, déconvenus. L'autre élément que je, que juge important de souligner, c'est que, à ce que j'ai compris dans le discours de Moussatine, euh, c'est une coalition électorale qui est dans une dynamique d'aller vers la, présidentielle. C'est trois ans d'opposition. Hmm. C'est long. On aura les législatives avant d'aller à la présidentielle. Il faudra éviter d'avoir le syndrome Benoît Sigui Sénégal, aller ensemble jusqu'à la présidentielle. Bien évidemment, il dit qu'à la présidentielle, que chacun puisse y aller. s'il se... Mais je pense que l'idéal aurait été de capitaliser sur les acquis hum. dès maintenant pour arriver à une candidature à la présidentielle. Sinon, ce serait aller ensemble, consolider, aller euh, sur une même dynamique jusqu'à la présidentielle et aller en ordre dispersé. Ce serait ne pas capitaliser sur, sur ces approches-là. Mais trois ans d'opposition, déjà le défi, c'est d'aller ensemble, et de ne pas euh, se désunir. Mhm. Le défi, c'est de, renforcer et de consolider ce groupe-là pour qu'il soit à l'abri de toute forme de, tentation par l'argent, la force ou la puissance. Mhm parce que c'est des réalités au Sénégal. On peut bien déstabiliser le groupe en mm-hmm. utilisant un ou deux maillons faibles, en leur promettant des postes ou en leur donnant euh, des, des prébandes. C'est une réalité. Depuis lors, on nous annonce euh, Gloria, qu'on ne sait pas qui, qui, ne sait pas être, c'est. <laughs> Donc, c'est vraiment des formes de suspicion. Euh, pour moi, le défi, c'est cela. Mm. Mais quelle que soit l'union, mm il, leur, il faudra qu'ils travaillent à avoir une figure tutélaire du type Ahmad Dansoko. Il leur faudra. Il faudra qu'ils arrivent à trouver quelqu'un qui, qui accepte de s'oublier. Un métronome. Mm. qui accepte de s'oublier, d'oublier ses intérêts, d'oublier ses positionnements. Mais est-ce qu'il y a ce profil-là Justement, c'est <laughs> le défi. C'est ça le défi. Il faudra qu'ils réfléchissent à trouver quelqu'un eh du type Ahmad Dansoko, euh, assez équilibré, et qui a accepté d'oublier toutes ses ambitions au profit d'une cause. C'était le départ du président Sauf que nous sommes en face d'une opposition qui est dans un euh, jeu de calcul. Euh, euh, on a vu ce qui s'est passé parce que vous avez dit que rien n'écarte que le PDS rejoigne Yéhoui Sénégal ou mhm. Yéhoui Askanui. Mhm. Mais on a vu depuis la réconciliation de Mazari euh, que le PDS a adopté une autre posture. Mhm. On attendait une consigne en faveur de, de Sonko, de lors de la présidentielle et on a eu les, le le protocole de Conakry. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, à l'arrivée, il a juste dit euh, qu'il ne donnerait pas de consignes. Aujourd'hui également, on attendait que Wad soit dans la bande des quatre. Euh, il avait donné son aval de toute façon au vu des informations glanées ça et là. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. Alors, est-ce que Wad n'est pas en train de jouer le jeu du pouvoir Oui, absolument. Je pense que Wad, comme on le connaît, est un personnage nuancé. Oui. Hein. et je dirais même avec le superlatif très nuancé. Mm. Mais seulement il faut voir qu'on peut l'attendre qu'il euh, clignotait à droite et qu'il se retrouvait à gauche. Oui. Ça, je pense que si on connaît bien le personnage, on mm. le sait. C'est pourquoi j'ai essayé d'analyser tout à l'heure en considérant que il peut y avoir d'autres sous soubassements qui mm. me permettent aujourd'hui de comprendre qu'effectivement, euh, la, en fait, euh, l'objectif de WAD, ce n'est pas véritablement de rompre véritablement avec une... Ou de, euh, en tout cas, de, de ne pas coaliser ou de rompre avec une quelconque coalition. Mm. Mais Wade veut asseoir son leadership. Ça, c'est une certitude. toute coalition qui accepterait de, lui, de lui accorder le leadership mm. voulu ou bien dévolu, mais Wad peut euh, aller avec toi. Mais il faut voir qu'en filigrane, l'aspect fondamental de la lutte actuelle de Wad, c'est son fils. Absolument. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Wad, son problème fondamentalement, c'est Kaïm. Maintenant, entre deux choses, si Maki parvient à satisfaire cette velléité ardente de Wad, Karim pourrait être le Gloria. Naturellement, Karim pourrait être le Gloria du Mbroxo, du, du, du Tchadri, <laughs> euh, ou Mais si, parce qu'il faudra qu'on raisonne sur la base d'hypothèses, mm. si Maki persiste maintenant, ben, je pense que Wad risque d'aller de l'autre côté. parce que est conscient du fait que, à lui seul, il ne peut pas ébranler Maki. Mm-hmm. Ça, il faut reconnaître que le PDS, dans sa situation actuelle, mm ne peut pas ébranler Macky. Il faut qu'on le reconnaisse. Je viens de dire tout à l'heure que Macky, au bas va peser plus de 40%. Comme ça a été dans l'histoire avec Diouf et tout ce qu'on passe ici. Parce que c'est comme ça la représentation. Nous, nous vivons une représentation de Ngourbourg, avec une forte propension dans la population, qui fait que celui qui est au pouvoir, il gagne en beaucoup de points. Des points que rien ne justifie réellement, véritablement, en toute objectivité. Mais je veux dire tout simplement par là que, effectivement, Wad pourrait rejoindre euh, euh, Macky Sall en fonction de ses intérêts. Et nous connaissons l'intérêt. L'intérêt principal, c'est Karim. Mm-hmm. Il pourrait rejoindre si véritablement cet intérêt-là n'est pas pris en charge. Mais en réalité, je ne pense pas que ce combat de leadership qui est évoqué puisse être véritablement le soubassement réel de la justification du positionnement de Wad. Parce que Wad a 96 ans, mm. il a effectivement une carrière politique derrière lui, donc je ne pense pas qu'il soit intéressé. Mais il est intéressé par le positionnement de son fils. Il est intéressé par ça, ça c'est une certitude. Mm. Mais maintenant, jusqu'à quel niveau jusqu'à quel niveau il peut s'engager, n'est-ce pas, dans ce combat-là, qui est un combat politique, n'est-ce mm. pas, pour pouvoir, qui vont infliger, euh, dont les résultats vont véritablement euh, euh, influer véritablement sur sa décision, n'est-ce pas, pour euh, les élections. Je rejoins mon, mon, mon, frère Sec tout à l'heure sur les candidatures indépendantes comme a été l'expérience de Dembadia. Mhm. Et il me semble qu'il faut comprendre que en fait d'élections locales, effectivement, c'est mhm. un aspect assez majeur qu'il nous, faut, nous faut intégrer. Mhm. Mais les états-majors des partis politiques, véritablement, euh, ils ont commencé à comprendre cela. Si on a compris quelque part, il y a beaucoup de personnes qui se réclamaient de la société civile, en tout cas, en tout cas, ou en tout cas d'indépendants, Hmm. mais qui peut-être soit avant d'avoir la mairie ou après avoir obtenu la mairie se retrouve dans une coalition de partis Absolument. Après, hmm. bien entendu, parce qu'ils ont besoin hmm. de s'adosser quelque part sur, n'est-ce pas, une, euh, en fait, un regroupement qui leur permet de pouvoir compter, n'est-ce pas, au niveau, de pouvoir peser réellement sur la balance pour pouvoir faire passer, n'est-ce pas, leurs décisions dans le cadre du processus décisionnel. Je pense que c'est à peu près euh, ces aspects-là que nous retrouvons véritablement pour voir et pouvoir analyser véritablement le rôle que le PDS pourrait jouer véritablement aujourd'hui dans la configuration actuellement de l'espace politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas que l'opposition qui a, qui, euh, a du pain sur la planche, mhm. il y a également Beno Bokeyakar. Aujourd'hui, est-ce que Beno, euh, c'est la coalition qui, qui accompagne Macky Sall, le mhm. président de la République, est-ce que Beno aussi est à l'abri d'une implosion au vu des investitures à venir on, voit déjà les appétits qui s'aiguisent. Tout à fait, les appétits s'aiguisent, mais rien qu'ici dans la Médina, on a combien d'acteurs <laughs> de Bénin qui veulent briller le, mandat de, de, citoyens premier citoyen de cette mairie Et on sent qu'ils sont tous légitimes, ils, ont, ils sont à l'intérieur, mais euh, en tâtant le poule, on sent que certains sont plus populaires que d'autres. Mais est-ce que c'est plus populaire là auront euh, la chance d'avoir l'oreille du président pour être investi. Ça aussi, c'est vraiment des difficultés. Et d'ailleurs, ici, j'invite euh, une, disposition, je dirais, légale qui, qui me paraît incongrue. Au nom de quoi est-ce qu'on interdit les, sondages euh, durant ces périodes-là, il serait bien pour le parti de pouvoir faire un sondage et tâter le pouls pour voir celui qui est en meilleure posture. la meilleure représentativité. La meilleure représentativité, le plus légitime pour, pouvoir le, mettre à la tête du parti, euh, des listes du parti. Et ici, arrêtons-nous sur l'événement Wilan. À Kafrine. Avec Ah oui. en réalité, voici une situation, si on ne la règle pas, mhm. et, forcément d'ailleurs, il faudra choisir. Et en choisissant, on en sortira avec un frustré. Absolument. Qu'est-ce qu'il fera et William fait, partie des alliés, il est du Parti socialiste. Du Parti socialiste. Et William, d'ailleurs, euh, lors des dernières euh, élections, il est allé seul. Hein. Oui. Il a défié et la coalition et l'opposition et il, leur a coiffé, il les a coiffés au poteau. C'est pour dire qu'ici, on risque de voir dans certaines localités aussi euh, ces situations se, poser. C'est d'autant que mm. c'est comme ce qui s'est passé en, 1995 en France Mitterrand était un président finissant. deuxième mandat, mais personne ne voyait en lui une capacité de nuisance. Donc, mm. on osait défier son autorité. Si on son, beau-frère le défier à, Grand Yoff, Adama, Adama, Adama Donc, si certains sont dans cet état d'esprit-là, attendons-nous à ce qu'il y ait des dissidences dans le groupe. Maintenant, il faudrait euh, se rendre à l'évidence. Euh, la coalition est au pouvoir. Ils ont des capacités de... ils, peuvent tordre le bras à certains, ils peuvent imposer leur dictat à certains autres, etc. Et qui tient les bourses, des fois aussi tient le pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a que ça qui peut peut-être amoindrir le risque de voir beaucoup de dissidence dans le parti, mais c'est des risques et euh, ça peut se produire pour certains qui sont presque quasi sûrs qu'ils vont gagner leur mairie, ils ne vont pas accepter d'aller vers euh, euh, une, discipline de groupe euh, qu'ils vont sacrifier sur l'autel d'une légitimité qu'ils peuvent avoir. Il faudra s'attendre à des listes parallèles. ça, peut se faire. Est-ce que Makissal Sall, sait qu'il aura la baguette magique pour des listes sans frustration Il y a l'APR, il y a également les, alliés à gérer. mais il faut reconnaître que le euh, Benno Bokoyakar, comme toute autre coalition, connaît un cycle de vie, mmh. hein, n'est-ce pas Une phase de croissance, une phase de déclin. Mmh. Et son déclin est lié, est intimement lié euh, à, la carrière du, leadership, du leader, de son leader. Euh, naturellement, ça, je pense qu'il faut, il faut le reconnaître. Mmh est-ce que Bernard va survivre à Maki moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et une chose est sûre aussi, que Maki s'avance avec les signaux de fin de, de règne. C'est mon analyse. Quels sont ces signaux une, analyse, c'est une analyse froide que je suis en train de faire. Absolument. Les signaux de fin de règne, c'est des signaux de crise qui jalonne votre exercice et qui impacte véritablement sur les actions et les initiatives que vous menez. Je donne juste un exemple. Du temps de Wad, on a toujours dit non, laissez-les bailler, pas de Cette détention nous a poursuivis jusqu'à une époque où on a commencé à dire non, pas de hmm. En 2012. Parce que tout simplement, entre-temps, il y a eu des choses qui n'ont jamais été prises en charge. Et ces choses-là qui n'ont pas été prises en charge, parfois on pense que dans, ça tombe dans l'oubli alors qu'il est enfoui quelque part dans notre conscience. Du, en tout cas du citoyen lambda qui a pris conscience de ces faits et que très souvent on l'oublie en pensant qu'il faudra juste démontrer et montrer des choses à travers des situations communicationnelles pour justifier que effectivement il faudra faire oublier quelque chose, ces situations-là. Je pense que chaque fois, je ne sais pas parce que je ne sais pas comment le dire en wolof, hmm. parce que en fait, en fait de, en fait de règne, en fait en fait de règne, il faut comprendre qu'au moment où on considère que telle chose est arrivée et qu'on ne l'a pas réglé et que les gens l'ont oublié, c'est là où on commence à se tromper. Les fins de règne se manifestent à travers des scandales à répétition. Mm-hmm. Nous l'avons compris dans beaucoup de régimes. Et ces scandales-là, l'État démontre une impuissance à les prendre en charge. À travers des faits d'impunité qui sont patents et sur lesquels tout le monde, on n'a pas besoin de, montrer la lune mm. ou le soleil euh, n'est-ce pas Je pense que si ces faits-là résultent fondamentalement d'une situation qui devait être prise en charge, qui n'a pas été prise en charge, je pense qu'il y a un problème. C'est pourquoi moi, j'ai considéré que Wad est parti. Parce que Wad a drainé des problèmes de malgouvernance. On a amené Wad à partir. Ce ne sont pas des ponts, ni des chaussées, ni des projets, ni des infrastructures qui ont fait partir Wad. Mhm. Wad avait un actif. Il faut le reconnaître au bilan. Wade avait un actif assez lourd. Il faut le reconnaître. Les, ponts et les routes étaient là. Maki aussi, au bilan, il a un actif assez lourd. Il faut reconnaître ça. Parce mm. que nous ne pouvons pas nier, en allant à Matam, moi j'ai fait un peu l'intérieur du pays, les choses, quelque chose a changé. Naturellement, les choses ont changé. Mais à quel coût À quel coût C'est le coût. Aujourd'hui, c'est les situations qui ont été des soubassements et qui ont créé une situation de mal-gouvernance tout autour de ces grands projets et programmes, qui ont fait, qui ont aujourd'hui essayé, aujourd'hui, qui ont enfoui véritablement toutes ces actions et ces initiatives, n'est-ce pas, sous l'autel, n'est-ce pas, de la mal-gouvernance et sous l'autel de ce qui est plus visible, qui est la mal-gouvernance dans aussi bien les secteurs minières que dans les secteurs de l'eau, que, dans le secteur euh, foncier. Mm. Mais ces choses-là, il devait y avoir un levier qui devait assurer leur prise en charge de la justice. Mais cette justice-là, nous savons qu'elle est en crise depuis quelque temps. Parce que fondamentalement, c'est l'état de droit qui est en crise. L'état de droit qui est en crise depuis la crise répétitive. Et on pensait que ça allait, on allait prendre en charge avec la crise du 23 juin, qui était une crise purement institutionnelle. Cette crise-là, ça a perduré parce que quand Maki est arrivé, Maki euh, il y avait des éléments de résolution et de prise en charge de cette crise-là qui étaient dans les assises nationales, qui n'étaient pas, qui n'ont pas été prises en charge. Il y avait une réflexion à la base. On a eu beaucoup d'études prospectives, aussi bien autour des plans qu'autour, n'est-ce pas, de la gouvernance. Mais tous ces documents-là, tous ces travaux n'ont donné pas grand-chose. D'autant plus qu'on sait que les lois qu'on avait connues, et certaines lois même regardez le domaine euh, du point de vue des lois liberticides avec mm. les articles 80, etc., où tous les présidents sont passés par là et que chacun continue de le maintenir mm. comme euh, une chasse gardée pour pouvoir, etc., frapper encore de l'opposant. Mais on ne comprend pas. Est-ce qu'en réalité, quand on arrive au pouvoir, on arrive au pouvoir parce que tout simplement, on vient pour prendre en charge des questions qui n'ont pas été réglées ou bien est-ce qu'on arrive au pouvoir pour trouver des stratégies, des voies et des moyens pour se maintenir au pouvoir Je pense que ces questions-là, aujourd'hui, c'est des questions qui sont assez terre à terre, mais qui, si on y regarde de près, on se rend compte que quelque part, ces questions de gouvernance institutionnelle, foncière, toutes ces questions-là, mm. c'est des questions qui risquent véritablement, au niveau des résultats, d'avoir un impact négatif considérable véritablement sur les initiatives et sur les actions. Ajouté à ces impacts euh, négatifs dont vous faites état, Djomboro, il y a également euh, le, euh, le, parti de la vue dure, comme mhm. la <laughs> comme l'a théorisé et écrit ouais. Maudou qui est en soutien de, de, Macky Sall. Il mhm. pense que la seule et véritable opposition mhm. de Macky Sall, c'est ce, ce PVD. Ah oui, ça, ça c'est, c'en est un. Mais je pense qu'on oublie qu'on est dans un contexte Covid. On a tendance même à imputer à la gouvernance du président Macky Sall des choses dont peut-être elle n'est pas responsable. C'est aujourd'hui toutes ces difficultés. Euh, figurez-vous, euh, en France, il y avait une forte décision que l'État voulait prendre sur la limitation de la vitesse dans les villes. Hum. Macron est intervenu d'autorité hum de manière discrétionnaire pour dire abandonner cette décision. Hmm. Les Français sont fatigués de la Covid, donc il ne faudrait pas en rajouter. Je pense que justement, on est dans cet état d'esprit-là. Hmm. Et à mon avis, nos gouvernants devraient tout faire pour euh, essayer d'équilibrer de, un peu euh, ce, mal-vivre-là que les citoyens sont en train de, connaître, euh, lié à la Covid et à ses impacts. Euh, en essayant d'alléger certaines décisions. Euh, en essayant de revoir certaines décisions. Quelles décisions, par euh, exemple Alors, la hausse des prix. Je pense que l'État, même si on a, vu quelques frémissements, 47 milliards de recettes, milliards de recettes mais c'est quoi 47 milliards par rapport à un budget de 5 000 milliards Je pense qu'on devrait avoir des décisions beaucoup plus fortes que ça. Quel genre euh, Oui. Euh, quel genre, mais, mais, mais, réduire de manière drastique, prendre les dispositions qu'il faut. Mais on a nos DTS il y a quelques jours, 200 et quelques milliards. Il faudrait trouver euh, des moyens d'injecter cela dans l'économie mm. et d'alléger la vie des, populations. L'autre élément, c'est que quand vous voyez un ministère du Commerce qui dit qu'il est impuissant face à la hausse de, certains, euh, de certaines denrées et de certains... Mais la viande qui hausse de manière aussi euh, vertigineuse... 4 000 francs le kilo. 4 000 francs le kilo. Mais je, mon, mes amis Diayen et Gayen vont, <laughs> vont, me rire au nez. Mais c'est pour dire qu'en réalité, mm. mais c'est très dur pour, pour, certains. Euh, il, faut, mais il faut aller à l'intérieur du pays. Parce que même... Et d'ailleurs, quand vous entendez la baisse des prix, mm. on baisse certains prix pour Dakar, et cette baisse-là n'est pas aussi à la hauteur à l'intérieur du pays, alors que c'est eux qui sont plus dans le dénuement, qui ont plus besoin de, baisse de prix. Moi, je dis, ça n'a pas de sens. C'est à croire qu'en réalité, il, fallait, il faudrait faire revenir la caisse de précaution et mm. de stabilisation des prix, qui jouait sur cela pour faire de sorte que les prix soient, quasi homogènes sur tout le territoire national. Mm. Mm. Mais un État devrait pouvoir peut-être euh, se pencher sur ces questions-là et tout faire pour alléger la vie, la cherté de la vie, parce qu'en réalité, la Covid, hmm. les impacts, on n'a pas fini de les cerner. Les impacts peuvent aller jusqu'à faire tomber un régime qui n'est peut-être pas responsable à tout point de vue des impacts de cette Covid-là. Donc c'est pour dire qu'il euh, euh, y a beaucoup d'efforts à faire pour nos États. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Des fois, ce n'est même pas... Hmm. Euh, c'est juste du point de vue symbolique. Hmm. Parce que, à défaut de pouvoir te soigner, moi, je peux vraiment, Binta, à mhm. défaut de pouvoir vous soigner, je peux avoir un discours bienveillant sur Absolument. vous. Je peux compatir à votre douleur, etc. Mhm. Mais il y a certains discours qui sortent mhm. de certaines de nos autorités, mais c'est de la condescendance et euh, un manque d'humanisme oui ils ne compatissent pas à la douleur des, populations, mm. mais les, populations à l'intérieur, mm. mais ils sont fatigués. Absolument. Ils sont fatigués. Même les populations de, Dakar, de, la capitale. Alors comment aujourd'hui Macky Sall peut faire pour faire euh, exactement face euh, à ce PVD Partie de la vie dure. Oui, je pense que dans le processus actuel, mm. moi je n'ai pas vu de solution réellement parce qu'il faut essayer de maîtriser quelque chose qu'on maîtrise. Hum. Nous n'avons aucune maîtrise sur les denrées. La, réalité est que nous ne produisons pas ce que nous mangeons. C'est ça. Et donc, de la même manière que nous ne vivons pas de nos croyances ni de nos convictions, hum. c'est que nous avons fondamentalement deux problèmes et qui impactent sur notre vécu. Hum. Nous ne vivons pas de nos convictions et croyances, parce que nos valeurs sont prétendument des valeurs républicaines, mhm. naturellement, qui ne sont pas en contradiction ni avec l'homosexualité, qui ne sont pas en contradiction ni avec euh, euh, quelque chose d'autres contre-valeurs qui sont censées euh, atteindre nos mœurs et nos croyances. Ces valeurs républicaines-là, nous sommes adossés à ça. Naturellement, ça, c'est une première chose qui est fondamentalement une confusion dans notre, dans notre idéologie, véritablement. Parce que Réellement, moi, en tant que Sénégalais, je ne sais pas, est-ce que c'est des valeurs républicaines, je dois croire à des valeurs républicaines de Jules Ferry, ou bien est-ce que je dois croire à... etc. Des valeurs tirées, etc., de ce que je crois, qui est ma croyance, etc., mes convictions. Comme j'ai eu une petite anecdote, mm. où j'ai entendu à la radio euh, euh, un jeune, un jeune à qui on dit, un jeune talibé Yassen, à qui on dit, on a demandé, eh, est-ce que vous avez commencé sur le port des masques On lui a demandé, est-ce que vous, pourquoi euh, pourquoi vous ne portez des masques Il dit que je n'ai pas encore eu le Ça explique fondamentalement notre sociologie. Cet aspect-là, elle est extrêmement importante. Donc, cela veut dire que tout simplement, on a, on a un problème au niveau de cette crise-là, de ces valeurs-là. L'autre aspect, c'est fondamentalement, c'est que nous ne produisons pas ce que nous mangeons. Dans un pays où la représentation en termes de secteur primaire, tertiaire, se retrouve avec un secteur tertiaire qui tourne autour de plus de 50%, 56%, d'après mes lectures en tout cas. 31% pour le secteur primaire et 14% pour le secteur euh, secondaire. Cette répartition, euh, euh, si on fait l'alchimie avec les prorotats de population, les n'est-ce pas, la configuration démographique, on se rend compte que du point de vue du secteur en tout cas, du tertiaire, occupant ce qui occupe le tertiaire, globalement, le monde rural, il tourne autour de plus de... C'était 78%, maintenant, derrière, d'après les derniers chiffres, c'est autour de 58%. Mais jusqu'à présent, c'est plus de 50% de la population du Sénégal qui est occupée dans ce secteur-là, alors que ce secteur n'a pas une valeur ajoutée de plus de 30%. Ces produits-là que nous produisons de nos crues, ça n'a aucun impact sur notre balance commerciale. Il faut le reconnaître. Ça, c'est un aspect. Élevons un peu l'analyse en essayant de voir son impact dans la stratégie internationale. On se rend compte qu'effectivement, une chose, c'est de produire ce qu'on mange, en manger, ensuite en vendre. Et c'est ça le développement, réellement. Si on prend l'exemple des modèles asiatiques, nous ne pouvons pas analyser sans faire de comparaison. Si l'on prend sans fil au modèle asiatique, ils étaient basés sur ça fondamentalement, avoir à manger d'abord, essayer de se donner à se vêtir, porter des chaussures, l'artisanal de ces secteurs-là fondamentalement. Mais nous, aujourd'hui, les produits que nous vendons autour de l'espace UMOA, l'échange intracommunautaire, je prends juste un petit cadre, je ne prends pas la CDAO, e l'espace communautaire, les produits intracommunautaires, les échanges intracommunautaires aussi autour de 13%. Entre la création de l'UMOA et l'UMOA, parce que nous avons connu, n'est-ce pas, un espace monétaire commun avant de connaître, n'est-ce pas, une intégration commune. Parce que nous avons fait un processus d'intégration par agrégation d'État par désagrégation d'abord, à la suite de l'AOF, ensuite par agrégation d'État. Cela, naturellement, nous a donné des acquis, l'acquis de l'espace monétaire commun. Mais cet acquis-là, qu'est-ce que ça a donné Juste un impact de 8 à 13%, c'est-à-dire un impact faible de 5%. Maintenant, si on regarde l'essentiel de, ce que nous commerçons avec l'Europe, on se rend compte que l'essentiel de nos choses viennent de l'Europe et viennent de l'Asie. Mais comment, dans un tel contexte, on pourrait maîtriser, n'est-ce pas, un tel, des tels euh, niveaux de prix Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas quand même qu'on essaie de, Ça, moi, je ne peux pas l'imputer. Ça, je l'impute effectivement à Macky Sall parce que je pense qu'il est... Il, c'est lui le responsable de nos politiques. Mais est-ce que, justement, pour terminer, l'absence d'anticipation, euh, le sens des priorités ne nous a pas menés là où nous sommes aujourd'hui ah Cette forte demande sociale. Il y, a des questions de choix euh, stratégiques euh, d'anticipation, bien évidemment, mais mm. de volonté aussi. Je ne pense pas qu'un État, si on en arrive au constat que l'État ne peut rien contre les faces à la hausse des prix et que donc on se euh, soumet au dictat du commerce international, cet État-là n'a plus son sens, n'a plus sa... il n'y a pas de sens qu'un État Soit, là. s'il mm. Si il ne peut pas prendre certaines responsabilités, certaines dispositions à produire de la richesse. Je ne remets pas en question ce que vous dites, hein, mm. mais on va plus au-delà pour dire finalement que, en réalité, donc, cet État-là n'en est pas un finalement. Merci. Merci beaucoup à nos invités. Hassan Djombo-Rosek, juriste, membre du bureau exécutif du Forum civil, et Mamadou Sek, analyste politique, spécialiste des questions. Média 94 FM Dakar mbokk yi del di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak RFM 11 jot ñu dikk ak yéen ci xibaar yi ci gàttal dañ koy door ak nguur gi taxaw na eh, temb ngir eh, ndaxu taw ya nekk ca tubaañu daal di koy manq ba mu jeex tàkk fi ak màggal gi ci loolu nag am na programme bu ñu tëral nar ci dugal ñeenti eh, milliards ci sunu xaalis ay délégation bu gouvernement bi bokkoon ci ministre intérieur ministre assainissement ak formation professionnelle demoon démb ca tuba ca leen ko xamle ca ndaje ba papa bàll dindi salte beeg suuf bi ci bassin Kër ñan bi balaa ñuy daal di door liggéey bi entrepreneur bi ñu dénk liggéey bi di dellusiwaat ci doxalin wi ñu war a njëkk a amal. te it dafay wàññi it li li mu mën jël ci ndox moo tax nu bàyyi fi machine bi ñaari fan mu jàppale ñi fi nekk pour su fii setee nga xam ne pompe yi ndox mi ñuy jël day woyof kon li ñuy jël dana ëpp rendement pompe yi fi nekk déjà seen rendement dana yokku ba pare ñun li ñu war a def ci liggéey bu bees dañuy war a tëral ñaari tuyaux jóge fii dem phase d'urgence boo xamante ne mu ngi toll ci ñeenti milliards suñu sukkandiku ci Antoine Félix Diome jëwriñ yi ci saa si président dal di joxe ni nañu génnee ci saa si jënd ci ngoon benn milliard ñu jox ko entrepreneur bi. mu yore kàddu xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre nag delluwaat di firndeel xalaat gi nga xam ne xalif général am na ko jëmle ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci mbënn mi. Serigne bi nag ci yërmande bu soñoon waxtu ne mu ngi nekk ci jàmm kenn nekk ci biir. loolu mooy itam guddee ko ci lay xalaat ndax bëgguta loolu sëñ bi bëgg ko woon bu soyoon yéen a koy gën condition yi ñeen nekk ndax moom ku ne xam ne ne ab tabax sa musu ko defal boppam kon moom ku dëgg àdduna ay visite ñu daal di koy amal fu ci mel ni basangu kër ñang beeg daaru raxmaan askan way yeewoo foofee nag daal dinañuy wax jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi jafe yi nga xam ne nag moom la ñuy dund kon ñi nga xam ne ñooy seen yu volontaire ci terrain bi di nekk ci wetu askan wi ko muy plan Orsec nañ ci jàppale mooy solution bi fi ñu toll nii moto pompe ak ay ak carburant loolu rek mooy li nga xam ne moom mooy solution jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir réew mi ànd ak délégation bu am solo bokk ci ministre assainissement ministre formation professionnelle ñoom ñëpp daal ñi ànd yóbbu njaalug njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba xale général Baye Fall yi di nekkoon Serigne Cheikh Diamb Fall wàccee liggéey. Papa Balla Gueye Touba radio futur Media. Papa Balla Gueye ci loolu ministre assainissement Serigne Bethiam xam ne am na benn programme ñaareelu pàcc programme assainissement bu Touba daa ñu ci dugal ñaar fukki milliards ak ñett te bu yàggul tere daa ñu ko tàmbali wax ci ñi nga xam te ne dañ leen jàpp ca ndar jëm ci wàllum barsaak barsaak benn waaye bu doon yóbbu nit lañ jàpp ak fukki nit ak ñeent yu mu naroon yóbbu bi sax lañ naroon jóge fii ci ndar daal di dem ca Espagne daaneel ak tàggat yaram Afrobasket final bi tey ji lay doon ci bu ngoon jotee 15h euh, diggante Tunisie ak Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mi gagné Sénégal dem ci dem final bi euh, Sénégal nag final bu ndaw bi euh, ñetteelu place bi lay xëccoo ak Cap Vert loolu ci kon ci kanam tuuti 11h30 fii ak fanweeri minute lay doon match boobu diggante Sénégal ak Cap Vert jëm ci troisième place afro Afrobasket ci góor ñi midi xibaar ci yaatal ci français ak Youssouf Bodian inormatif yaat leen ko ci wolof léegi-léegi seen émission grand jury Georges Déthié Diop di dalal modi di gëroo jaajëf EZBAT, École supérieure d'électricité, de bâtiments et de travaux publics, vous propose des programmes accrédités par le CAMES et l'ANAXUB Génie civil, BTP, géomètre, topographe, génie électrique, électrotechnique, électromécanique et système automatisé, géotechnique et route. QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, mine, géologie et pétrole, hydraulique et assainissement. Bachelier professionnel, le ZEBAT vous assure des compétences directement employables, reconnues, accréditées par le CAMES et l'Anaxu. ZEBAT un partenaire stable de 3FPT. LMD appliqué, inscrivez-vous pour des cours cours du jour, cours du soir ou les cours en ligne. Nous sommes au point E Dakar, 33 825 36 74. 33 825 36 74 ou le 77 381 63 37. Notre site web www.ezebat.com. ci kaw tëralin bu bees bi jëm ci dugal ak yamale ci wàllu payum lemp ci biir mbooleem ñi yëngu ci wàllu koom-koom loi numéro 2019 17 bu loi de finance 2020 dafa taxawal li ñu duppee prélèvement de conformité fiscale di lu ñuy daggee ci am amu bépp opérateur économique ngir muy wàccoog lemp ci taux téeméeri jël fukki ak ñaar ci lépp lu mu jéggaani bitim réew muy nag lu soxol ñi nga xamante ni duñu faral di wàccoo na mu waree ak seeni waree fi lemp boobee prélèvement li ko tax a jóg mooy gën a xirtal ñi dul fay lemp ñu def lu ni mel bokk na ci li ko gën a tax a jóg yaatal payug lemp gi ba ci ñëpp ñi mu war kon képp koo xam ne yaa ngi jéggaani bitim réewam njaay ca wàccewoog lempo na mu ware wala binduñ la ci benn service lemp bu Sénégal dinañ la dog téeméeri jël fukki ak ñaar ca la ngay fay douane importateur yi wàccoog seeni lempo ñoom wala ñi bindu ci service lempo yu Sénégal prélèvement gi taxu leen a jóg am na plateforme nag bu nu taxawal ci internet gi di pcf point dgid point sn ngir yombalal acteur économique yi ñu mën a jot ci attestation di kayit yu wane ni prélèvement bi bokku nu ca wala ñu wàccewul ak lempo ñu mën a def jubbanti gi service direction générale impôt domaine taxaw sa su ne ngir gungé len ci bëpp xibaar ci lépp lu ngeen soxla ngir bépp léral woté len ci 818 0011 11 6 au 30 septembre 2021, la ville de Dakar, en partenariat avec la plateforme intégrale, organise des cours de renforcement au profit des élèves du CM2 et de la 3e secondaire du département de Dakar. Matières ciblées, mathématiques et physique-chimie. C'est du 6 au 30 septembre 2021. Pour toute information complémentaire, priez de nous contacter au 77 365 64 57 77 883 72 84 WhatsApp 77 365 65 55. Vous pouvez également nous contacter par mail intégralblay@gmail.com. Notre équipe d'encadrement est composée de professeurs qualifiés dans les matières fondamentales. Nous procéderons à une remise à niveau pour permettre aux élèves de bien démarrer la prochaine année scolaire. Le travail portera sur les difficultés accumulées pendant les périodes scolaires précédentes. Un point sera fait sur les acquis avant de rattraper les retards éventuels sur les connaissances exigibles, et ce, par des entraînements systématiques. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maudit Guiraud, secrétaire général de la CNTS, il est l'invité de Georges Job. Plusieurs sujets, le renchérissement du coût de la vie, le mutisme des centrales face à la hausse des prix des denrées de base, la pertinence ou non des mesures prises par le gouvernement, les syndicats ont-ils aujourd'hui perdu de la vitesse face aux activistes et mouvements citoyens Les syndicats et l'État, la gouvernance des centrales en question, le monde du travail et la pandémie de Covid-19 et d'autres sujets d'actualité. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maudit Guiraud, secrétaire général de la CNTS, face à Georges Didier le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre euh, fidélité au grand jury. Le grand jury qui reçoit ce dimanche Maudit Guiraud. Maudit Guiraud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges. Vous êtes le secrétaire général de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du euh, Sénégal, président de la Confédération syndicale internationale, CSI Afrique, et membre du groupe des dirigeants de la Confédération syndicale internationale établie à Bruxelles. Maudit avez-vous des regrets à la tête de la CNTS que vous dirigez depuis le rappel à Dieu de Madia en 2008, compte tenu bien sûr euh, des épisodes qui ont émaillé la centrale à l'époque et qui ont atterri en justice non, pas du tout. Hmm. Pas du tout de regret. Au contraire, je me sens euh, fier de pouvoir euh, hmm. euh, poursuivre l'œuvre du timonier Majedio. Hmm. Je pense qu'il nous a légué donc l'héritage dans un contexte difficile, particulier, que vous connaissez tous. Et malgré donc l'environnement de l'époque, la synthèse a su donc rester debout grâce à l'engagement et à la conviction des des uns et des autres. Mm. Je pense que tout le monde s'est senti concerné et nous avons travaillé en équipe pour bâtir une organisation syndicale encore plus forte et plus représentative. Aucun regret. Si vous aviez à vous donner vous-même une note je pense que là, on dit que ça bouffe ça Je suis mal placé pour m'offrir une note. Je sais que je fais ce travail euh, c'est un engagement militant, mhm. donc je me sens bien dans ma peau. Mhm. Et je suis heureux également de pouvoir servir donc notre organisation. Mhm. Le reste maintenant, il appartiendra aux militants et militants de la Confédération donc d'en apprécier donc le, résultat. Donc vous, vous dites que vous avez réussi le pari jusque-là je crois avoir pu quand même, grâce euh, à l'engagement, parce que ce n'est pas un travail individuel, ce n'est hein. pas Modigiros tout seul qui a pu faire tout ce travail. Mm-hmm. Euh, c'est un engagement collectif, c'est un travail collectif. Donc euh, voilà, je pense à ce niveau, je donc, je crois que nous avons pu quand même relever ce défi. Alors si je pose la question Maudit c'est parce que le combat pour le pouvoir d'achat des travailleurs qui fait euh, l'actualité, hein, euh, le pouvoir d'achat des populations a toujours été porté euh, par les centrales syndicales. Pour certains, il y a un problème aujourd'hui. Les produits de consommation de base ont connu une hausse de leur prix depuis longtemps sans qu'on ne vous entende, sans qu'on entende les centrales. Quel est le problème Oui, vous savez, on ne nous entend pas parce qu'on n'est pas dans la rue. Hum mais il faut apprécier aussi la situation et l'environnement global. Vous avez des organisations syndicales assez responsables. Mhm. Je pense que notre pays, comme d'autres pays, traverse aujourd'hui, depuis deux ans maintenant, une situation exceptionnelle, mhm. jamais vécue dans le monde, euh, par l'apparition d'une pandémie qui ne dit pas encore, euh, qui n'a pas encore fini donc d'inquiéter. Mhm. cette pandémie. Donc, et reste aujourd'hui la combattre cette pandémie reste aujourd'hui la priorité des priorités. Donc, comme vous savez, donc, les rassemblements sont souvent cause de, contamination. Nous-mêmes, nous sommes quelquefois dans des dilemmes. Nous nous posons des questions. Que faire face à des situations que vous venez de soulever mm. Je pense qu'il faut le dire. Effectivement, euh, la situation des travailleurs et des populations en général reste extrêmement difficile. Mm-hmm. N'est-ce pas Nous assistons à des hausses euh, qu'on ne peut pas du tout euh, donc comprendre et je pense, compte tenu également de l'environnement dû à la pandémie, où les travailleurs sont dans des situations extrêmement difficiles. Certains sont en chômage technique depuis deux ans, avec euh, euh, la moitié de leur salaire, d'autres même sans salaire. Euh, certains sont virés de leur, emploi. donc je pense que, en plus de cela, si vous vivez une progression répétitive, n'est-ce pas, et sans, sans contrôle des prix, je pense que nous sommes là devant une situation euh, qu'il faudrait vraiment décrier. C'est pourquoi notre organisation, à défaut donc de pouvoir manifester, euh, a sorti une déclaration très tôt, en mm. fait vers le 12 euh, août. Nous avons égrené l'ensemble de ces questions, attiré l'attention des autorités, du ministère du Commerce, de la direction du commerce, mais également de l'autorité suprême, le président de la République, qui devrait mm. prendre les choses en main pour que ces genres de situations soient Régler. Mm-hmm. Parce qu'il a la responsabilité en tant que président de la République de veiller à ce que ces populations-là puissent accéder aux denrées de première nécessité à des coûts abordables. Mm-hmm. voilà, je pense que nous l'avons dit. Donc, euh, lié à cela, vous avez un environnement donc, euh, de Covid, euh, mm-hmm. mais également avec ces inondations, on ne peut pas y rajouter, n'est-ce pas, une hausse excessive des prix, non contrôlée. Et ça, c'est l'État qui devrait donc veiller à la régulation donc du marché. Et ça, je pense qu'on ne peut pas se substituer, l'État ne peut pas se substituer à cela. C'est pourquoi nous avons crié, nous avons élevé la voix. Euh, j'ai parlé dans d'autres euh, médias, euh, sur cette question et tout le monde en parle. Je pense qu'il faudrait reprendre les choses en main et essayer donc de, de, de, faire en sorte que les spectateurs soient, soient punis dans tous les pays du monde, vous avez un contrôle. On a supprimé le contrôle, des contrôles des prix, mais on ne peut pas laisser les populations à eux-mêmes. N'est-ce pas On a également une faible voûte. Les syndicalistes, vous savez, les syndicalistes se battent, les syndicats se battent dans les entreprises pour sauver l'essentiel. Mais les prix, l'augmentation des prix n'est pas en fait une affaire uniquement des syndicats. C'est l'affaire de tous les consommateurs. les consommateurs, des ne pas euh, les travailleurs ne font pas plus de 400 000. ils ne sont pas tous syndiqués, n'est-ce pas Mais c'est 12 millions ou 15 millions de consommateurs sénégalais. C'est tout le monde. Et ça, nous attirons l'attention des autorités parce que si on n'y prend garde, on ne prend pas garde, mais on peut se retrouver dans des situations incontrôlées. Donc voilà un peu euh, ce que j'aimerais dire sur cette question. En tout cas, nous sommes euh, très sensibles sur ce genre de questions. Nous élevons la voix la hausse récente du sucre, nous avons essayé de faire nous-mêmes des investigations auprès de la compagnie sucrière. Nous nous avons rendu compte qu'il y avait du sucre à n'en plus finir dans les magasins. Pourquoi alors, en ce moment précis, les populations ne pouvaient pas voir le sucre sur le marché c'est des choses sur lesquelles l'État devrait donc assumer sa responsabilité. La faute à qui à l'État ou bien Je pense que la faute est, c'est d'abord l'État je pense que l'État a la responsabilité, en cas de, devant d'une telle situation, d'abord de prendre les mesures nécessaires, de faire les contrôles nécessaires, de faire en sorte que le marché soit approvisionné correctement. La CSS vend à des grossistes, ces grossistes vendent à des détaillants. Il faudrait qu'à tous les niveaux, que nous puissions faire la traçabilité de sucre qui sort de la CSS. On ne peut pas se réveiller et nous dire on a du sucre, le sucre, on ne le voit pas. On ne le voit pas sur Le sucre va où ça, c'est des, choses qui et la traçabilité est très facile. une fois que c'est fait, prendre des mesures énergétiques. Si c'est des grossistes qui sont, fautifs, qu'on leur retire leur agrément. Si c'est des détaillants, il faudrait que ces détaillants-là soient connus. Voilà un peu. Et si c'est la CSS également, eh, euh, au niveau de la CSS, je pense que la CSS n'a pas su communiquer également à temps sur cette question pour dire que nous avons du sucre. Mais tout cela, est-ce que ce n'est pas la résultante du monopole sur le secteur Vous savez, le monopole, il est là pourquoi il y, a, des investissements énormes qui sont faits à la CSS, avec une capacité d'offre d'emploi de près de 7 000 emplois directs ou indirects, avec l'impact sur les populations, n'est-ce pas hein, euh, Sur les populations, euh, au niveau donc. Euh, en termes de valeur ajoutée, je pense que la CSS, c'est quelque chose quand même d'important pour le secteur. Comparé maintenant à des systèmes d'importation où c'est une personne modique qui importe le sucre, qui met toute la plus-value dans sa poche, avec peut-être deux personnes, trois personnes, je pense qu'il faut réfléchir. Le monopole également ne donne pas à la CSC de faire du n'importe quoi. Il faudrait que le protocole ou les accords soient clairement définis, que la traçabilité du cycle soit connue et que l'État également puisse surveiller, mhm. n'est-ce pas Voilà un peu. Et sur des genres de situation, la CES a l'obligation de communiquer vite, mais à temps. Mais on ne peut pas aussi attendre que la question soit comment dirais-je, euh, que, le problème arrive à des, situations vraiment inquiétantes pour que la CES e puisse parler. Non. Dès le départ, la CES e doit pouvoir communiquer. Le sucre est là et tout le monde pourrait donc, en ce moment-là, se lever et, prendre des dispositions pour voir, en fait, ce qui se passe. Mais en tout cas, il faudrait que l'État, sur cette question, en tout cas, euh, l'exercice sur le sucre devrait nous permettre de voir ce qui se passe réellement sur le marché. Mais hein? tout a augmenté. Hein? le sucre augmente, le, riz est vendu n'importe comment, à n'importe quel prix, l'huile pareil, le lait, hein? la viande, n'est-ce pas, le poisson, tout est cher. Les loyers, l'État devrait vraiment créer les conditions pour que ces questions soient régulées. Et, c'est l'État qui, qui a cette responsabilité et personne d'autre. Maintenant, il y a à côté des mouvements consuméristes qui sont là, qui devraient également jouer leur partition. Hum. Voilà. Alors, euh, la hausse des prix, hein, vous l'avez dit, la hausse des prix à proprement parler, le gouvernement euh, a évoqué le marché international avec la pandémie de Covid-19, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Peut-on s'en tenir seulement à cette explication, maudite quand on sait que l'État a tendance à euh, élargir son assiette fiscale des taxes à tout va Je pense que l'État malgré les contraintes mhm. liées à l'environnement extérieur qu'on vient de citer, mhm. le renchissement de certains produits, à l'obligation, parce que c'est des arbitrages. Mhm. Dans les arbitrages budgétaires, l'État l'a fait plusieurs fois. Ce n'est pas une première fois. Plutôt que de mettre des taxes qui sont répercutées sur, le, consommateur, sur sont les populations, l'État devrait, faire, devrait donc supprimer euh, ces, ces taxes-là et essayer de voir d'autres taxes parce que, vous savez, y l'assiette fiscale peut être élargie à d'autres niveaux pour essayer de soulager les populations. On ne peut pas dire parce que seulement au niveau international les prix ont il faudra nécessairement faire la euh, vérité des prix comme on a l'habitude de le dire. Non, je pense qu'on est dans une situation exceptionnelle, très très difficile, nous le comprenons, mais l'État devrait également accepter de faire des sacrifices, mmh. abandonner certaines taxes pour soulager les populations et mettre parallèlement également des mesures de contrôle et de, sauvegarde. Ça, c'est notre position. on ne peut pas se dire parce que les choses augmentent au niveau international. On, hein? a connu ce genre de situation avec la hausse du pétrole à l'époque. N'est-ce pas Il a fallu prendre des mesures pour essayer au moins d'atténuer euh, l'impact euh, sur, sur, sur, les populations, sur les consommateurs. Je pense que l'État devrait, à ce niveau, euh, faire des arbitrages, essayer de veiller à ce que, en tout cas, les populations, dans la conjoncture de pandémie également, mhm. puissent également vivre correctement. Parce qu'avec cette maladie, si les gens n'arrivent pas à manger correctement, qu'est-ce qui va se passer si l'on en est arrivé à cette situation, la, faute n'est-elle pas euh, aux autorités du commerce, au ministère du commerce, qui n'a pas su faire dans l'anticipation L'État, c'est tout le monde. Hein. Mhm. Je pense que l'État, le ministère du Commerce a sa responsabilité, ah, je mhm. l'ai dit tout à l'heure. Euh, il appartient au ministère du Commerce et à la direction du Commerce d'éclairer les populations sur ce qui se passe, de veiller à ce que également euh, le contrôle puisse se faire. Euh, c'est la responsabilité mhm. de vérifier, de voir ce qui se passe. Parce que la CSS vous dit, je donne mon sucre à 500 et quelques francs. Ça, ce n'est pas une question de, de renchissement au niveau international, c'est des questions internes. le, carton, si vous l'avez, ah, vous le trouvez sur le marché quelquefois à 1000 francs. Mhm. 800 francs, 1000 francs. Si vous le trouvez, il n'est même pas quelquefois. Il est introuvable. Il est introuvable. Alors que les magasins de les les magasins de stockage de la CSE sont remplis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est la responsabilité de l'État et particulièrement du ministère du Commerce. Je pense qu'il y a une rencontre qui a eu récemment, que nous saluons. Conseil national de la consommation. la consommation. Je pense que des mesures sont prises également pour essayer de revenir cette taxe. Mm. C'est des choses que nous saluons, mais je pense, nous pensons que l'État devrait aller plus loin. Mais vous, pourquoi vous n'aviez pas averti Mais écoutez, nous avons parlé. C'est là où, quand nous faisons des alertes, hein mais nous ne faisons qu'alerter. Après les alertes, maintenant, c'est l'action. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, en tant que responsable, euh, organisation suffisamment responsable dans cette conjoncture actuelle, euh, faire du mettre encore le pied dans le plat. Ça va encore créer des situations extrêmement Justement, difficiles. je ne vous y incite pas, mais dans, dans un autre temps, dans d'autres euh, pays, les centrales et les associations se seraient levées pour euh, appeler à une grève générale. Non, la grève générale, vous savez, vous ne verrez pas ça. Mm. c'est difficile, mm. parce que même ces deux syndicats sont suffisamment responsables. Je pense que si on arrive à ce niveau, mm. c'est parce que vraiment les gens qu'on aura en face restent sourds ou euh, vraiment euh, inconscient. Mais si ce que nous disons, qu'il faudrait se ressaisir, hum. faire jouer le dialogue, parce que là où ces gens, c'est parce que le dialogue reste rompu hum. quelquefois. vrai Et là, je pense que c'est ce que nous évitons. Nous pensons qu'il faudrait que euh, toutes les parties, donc l'État, les employeurs, les travailleurs, continuent donc de faire prévaloir le dialogue comme par le passé. Hum. Mais ce dialogue, bien sûr, euh, connaît des une rupture euh, dans la situation. C'est peut-être une des causes sur lesquelles euh, nous insistons pour que, euh, après ces alertes que nous faisons, que le dialogue puisse être renoué et que des situations puissent être discutées correctement et que des solutions soient trouvées. Rupture du dialogue, où situe le blocage À tous les niveaux, au niveau de... Vous savez, oh, de plus en plus, nous assistons à des, à des comportements qui, à notre avis, c'est des comportements dépassés. Hmm. Lesquels, par exemple Si vous prenez, par exemple, au-delà, je ne parle pas de, l'augmentation des prix, hmm. mais au-delà de l'augmentation des prix dans les entreprises et, services, nous avons également, nous constatons des violations des droits des travailleurs. À la place du dialogue, c'est des mesures de sanctions euh, euh, qui, sont, prises. C'est des, affectations des gens. Parce que simplement, ils ont osé ou bien voulu revendiquer de meilleures conditions de travail ou de meilleurs de salaires. Bon, dans l'administration, dans l'administration publique. Vous avez vu les camarades de, de, du secteur de la pêche, des travailleurs de l'agriculture. De l'agriculture. Vous avez récemment des camarades de la RTS, mm. n'est-ce pas Vous avez d'autres gens qui sont dans l'hôtellerie. Au-delà donc de faire prévoir le, dialogue, mais c'est des sanctions, c'est des mesures, c'est des répressions euh, qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est des, des, des que certains emplois, certains patrons devraient donc euh, euh, dépasser. C'est des méthodes archaïques, n'est-ce pas, utilisées du temps, du temps colonial. Mais c'est ces méthodes qui, qui reviennent. C'est comme si aujourd'hui ils avaient quelque part dans un cabinet de conseillers des gens qui leur disent écoutez, euh, faites ceci, faites cela. Mais ça ne passera pas. Parce qu'il arrivera un moment, si ce dialogue n'est pas euh, reste n'est pas, repris correctement dans le respect donc des droits des travailleurs, notamment euh, par rapport à la Convention 87 et 98, il est évident que les organisations syndicales prendront en ce moment-là leurs responsabilités. Ce qui nous bloque, c'est parce que simplement nous sommes en train, euh, dans un environnement extrêmement compliqué lié à la pandémie. Pandémie, oui, mais est-ce que cette situation n'est pas due, Modigiro, à une politisation quelque part de l'administration Peut-être. Je pense que dans, certains cas, vous pouvez assister à une promotion de gens qui sont dans les mêmes partis politiques mhm. que les dirigeants de ces mais euh, heureusement que ce n'est pas peut-être dans la majorité des cas. Mais l'un dans l'autre, nous, ce que nous disons, que vous soyez, c'est tous des citoyens. Mhm. Et ces citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il faut donc, euh, dans, parce que quand le président parle d'équité, nous nous parlons d'équité sociale, nous le répétons également, nous luttons contre les injustices, et euh, de ce point de vue, donc, il faudrait que tout le monde soit traité de la même façon. Mais vous ne pouvez pas, quelquefois, dans certaine mesure, faire la promotion des médiocres et ceux qui ont leur dignité et qui se battent pour euh, le respect de leurs droits, que vous puissiez les mettre en seconde zone, parce que simplement, vous pensez que vous êtes là comme un messie et personne ne devrait donc vous, réclamer quoi que ce soit. Or, les travailleurs ont des droits dans, dans, dans leur lieu de travail. Ils ont le droit de revendiquer de meilleures conditions de travail. Ils ont le pouvoir, le droit également de euh, revendiquer de meilleurs, de, de meilleurs traitements, meilleures rémunérations. Mais si certains, ceux qui sont en face, refusent de l'entendre, mais à ce moment-là, je pense, en prenant des mesures de, dépassées, je pense que notre devoir également, c'est de les dénoncer et de d'attirer l'attention des autorités sur ce qui, ce qui se passe dans ces secteurs-là. C'était là la parenthèse monde du travail. Guido, quelle est aujourd'hui la pertinence, si l'on revient au coût de la vie, quelle est la pertinence ou non des mesures prises par les autorités, l'État qui a renoncé à 47 milliards de recettes pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais, suspension de certaines taxes, réduction d'autres. Est-ce que ces mesures conjoncturelles sont la solution Non, je pense que c'est des mesures conjoncturelles, comme mhm. vous le dites. Mais il ne s'agit pas de prendre des mesures, à mon avis. Vous savez, il s'agit de prendre des mesures de ce genre, mais ce qui nous intéresse le plus, hmm. c'est la répercussion de ces mesures sur, la vie des populations. Est-ce qu'en prenant de telles mesures, l'impact sera ressenti par les populations Et c'est là où revient également la responsabilité de l'État. Il faudrait que nous puissions réellement palper sur le terrain et par rapport au pouvoir d'achat que les populations elles-mêmes, que que les populations puissent sentir que ces prix ont baissé. Il ne s'agit pas de renoncer et de permettre encore aux mêmes personnes... Est-ce qu'on même à une baisse Est-ce que ce n'est pas seulement un rétablissement des prix Non, même si, il faut, il faut voir. Même si c'est un rétablissement, il faut même vérifier si ce rétablissement est effectif. Parce que ce n'est pas évident. Parce qu'il y a toujours une, des personnes très intelligentes, n'est-ce pas, qui font en sorte que toujours c'est de demander, euh, de pousser, par exemple, créer cette pénurie euh, du sucre euh, qui a été entretenu euh, par, rapport à ce que nous avons comme, comme information. Mais alors, vous revenez pour... Donc, vous voulez dire que ce n'est pas une vraie pénurie, c'est une pénurie provoquée, Provoquée, c'est, des... à mon avis. Hein, parce que le sucre est là. Comment pouvez-vous l'expliquer Et si vous prenez, prenez les, autres, les autres produits, même si vous acceptez, parce que ça également, l'État a pris une taxe supplémentaire, l'État y revient. Donc, on est entièrement d'accord. Mais il faudrait aussi faire en sorte que les commerçants, n'est-ce pas, ne maintiennent pas les prix au même niveau, malgré la baisse ou bien la suppression de certaines taxes. Et ça, l'État a son rôle à jouer. Voilà ce que nous disons. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire des déclarations ou de dire nous prenons des mesures de baisse, mais il faut faire en sorte de vérifier et de faire en sorte que les baisses soient, que cette baisse soit ressentie par les populations en matière de baisse sur les prix dans les premières nécessités. Mais est-ce que l'État a les moyens vraiment de contrôler tout cela ah, dans le marché L'État devrait l'avoir en tout cas. L'État c'est responsabilité. L'État c'est responsable. Vous savez, vous allez dans d'autres pays, on ne fait pas du n'importe quoi. Ce qui se passe ici, il y a des pays où ce n'est pas... C'est inimaginable. On donne souvent l'exemple du Rwanda. Sur les bons exemples du Rwanda, il faudrait aussi copier les bons exemples. Il y a des choses que personne hein, ne peut nous faire dans certains pays. Personne n'ose le faire. Donc, il faudrait que nous puissions également, sur les bonnes pratiques, essayer de copier ce qui est bon ailleurs. Est-ce que vous comprenez Il y a des choses qui se font et qui ne peuvent pas se faire ailleurs. Pourquoi ne pas copier également ces bons exemples-là et les, appliquer chez nous Deuxième aspect, c'est que nous importons beaucoup, nous mangeons peu de choses chez nous, mais à ce niveau également, il faut que nous puissions promouvoir de consommer local. La CSS, c'est du sucre qui est, fabriqué chez nous. On, demande d'importer du sucre de l'extérieur. C'est d'imposer à la CSS de connu de produire du sucre en quantité suffisante. S'il faut maintenant autoriser à la CSS d'avoir plus de surface pour faire la canne, mais faire l'autosuffisance comment une, euh, en mm. matière de production il faudra le faire. Pourquoi laisser les gens importer Non, du tout. Je pense qu'il faut maintenir le riz pareil, faire en sorte que si c'est du riz importé d'ailleurs, euh, bon, faire en sorte que ce riz, si c'est du riz euh, de, première qualité ou bien super, je ne sais pas comment, euh, Oncle mettez-y une taxe. Mais pour le, riz, quand même, qui est consommé par, par le bas peuple, vous ne pouvez pas y mettre du taxe, sinon il faut au moins subventionner ces prix-là pour ces gens. Mais veillez à ce qu'également, ces produits ne soient pas, euh, comment dirais-je, euh, transférés au niveau d'autres pays d'une manière frauduleuse. C'est encore plus. Voilà, l'État a cette responsabilité de veiller à ce qui se passe, que nos produits restent au Sénégal, euh, puissent servir à alimenter le marché local pour que les populations puissent y accéder. Mais s'il y a également d'autres pays qui en profitent pour écouler ces produits euh, dans les pays ou bien au niveau de, nos frontières, que l'État puisse mettre également des barrières pour essayer de, barrer ce chemin-là, mais accompagnement d'une bonne communication. Mmh. Ça, éduquer les, populations, faire en sorte que les gens puissent également euh, les dénoncer avec des numéros verts, que les commerçants, les grossistes, les détaillants dans les quartiers, que nous puissions avoir un numéro vert, au cas où les prix sont connus et que certains arriveraient à, à les, augmenter d'une manière, euh, comment dirais-je, selon leur goût. Hmm. Leur, voilà. Je pense qu'il faudrait donc euh, euh, faire en sorte que des mesures soient prises, une organisation soit mise en place, n'est-ce pas, avec, en discussion avec les associations de consommateurs, hmm. pour définir les voies et pour contourner tout cela. Mm. Au-delà de ça, que faire, à votre avis, pour une meilleure, euh, auto, une meilleure régulation du marché L'État vivant de taxes pour financer son développement, ces mesures euh, qu'on a évoquées tout à l'heure ne peuvent pas être éternelles, elles seront levées tôt ou tard. Oui, l'État a besoin de taxes, parce que nous savons que les taxes seront là. Mais on demande aussi... Et à cause l'État reviendra sur ces taxes. Je pense que mm. l'État peut même augmenter d'autres mm. taxes, mais l'État également a l'obligation d'élargir, parce que, vous savez, les taxes, vous pouvez les mettre un peu partout, hein, tout dépend. Mais je pense que les taxes, on ne dit pas que l'État ne devrait pas mettre de taxes. Les taxes mmh. seront là, qu'elles soient là. Mais il faut mettre des taxes qui sont euh, supportables par les populations. Ici, on est dans une, dans une période extrêmement difficile. Donc, il faudrait aussi tenir compte de la période, de la conjoncture. La conjoncture au niveau international et est difficile pour tout le monde, aussi bien pour l'État pour les employeurs que pour les, que les populations. Or, aussi, ici, le moyen le plus fragile, ce sont les populations. Or, l'État a l'obligation de les défendre. Donc, l'État devrait essayer de trouver d'autres ressources ailleurs. C'est pourquoi je pense que nous, en tant que travailleurs, nous voyons tout cela et nous disons qu'il faut continuer, il faut que tout le monde, l'État devrait, les États africains d'ailleurs, chez nous, le président l'a dit, il faut arriver à ce que nous puissions supprimer, euh, n'est-ce pas, la dette. Faut Il dire que euh, la dette soit, euh, supprimée parce que euh, on ne peut plus, nest pas, supporter cette dette. Hum. On ne peut plus la payer parce qu'on est étranglé par des priorités qui sont là, et sur lesquelles les États devraient donc réagir pour faire en sorte que leur population puisse vivre, puisse se soigner, mais également puisse aller à l'école. Hum. On a énormément de difficultés. Or, la dette ne devrait plus être aujourd'hui une priorité pour nous. On devrait l'effacer. Elle a été déjà payée depuis très longtemps. Alors, Maudit Kireo, une autre centrale a réagi récemment. Euh, vendredi, l'UNSAS euh, a sorti une déclaration et fait des, propositions. Une qui a retenu notre attention, c'est l'indexation des salaires sur l'augmentation du coût de la vie. Vous êtes de cet avis Je pense que c'est des propositions. Je pense que cela s'est fait lier les salaires à l'inflation. Il faut avoir des éléments de mesure corrects en ce qui concerne l'inflation. Est-ce que vous voyez Donc ça, ça se fait un peu partout dans des pays où l'inflation est suivie correctement, n'est-ce pas Et que euh, les accords qui, sont obtenus par, entre les syndicats et, et, et le patronat et, l'État euh, sont axés sur cette, base. à ce niveau, donc, on ne dit pas non c'est une bonne proposition qu'il faudrait donc euh, étudier. Mais ici, on est dans une situation particulière à laquelle donc il faudrait réagir très fortement. Il ne s'agit pas de mettre simplement en avant cette proposition que nous pouvons soutenir, mais également de veiller à ce que les spéculations, la fraude, puissent être, puisse être euh, euh, comment combattues par tout le monde. Et ça, en tout cas, il y a des choses sur lesquelles nous avons euh, besoin euh, d'être éclairé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Pourquoi en sommes-nous là C'est pas seulement parce qu'on a une conjoncture internationale difficile, mais c'est parce qu'au niveau interne également, il y a euh, des pratiques illicites qu'il faudrait combattre. Vous insistez toujours sur cela. Comment faire pour y parvenir, pour connaître réellement la vérité Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette situation Je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence dans ce qui se passe la traçabilité des produits. Vous savez, vous ne pouvez pas, il y a des pays pour lesquels vous ne pouvez pas faire entrer un produit sans qu'il y ait la traçabilité. Ici aussi, on peut le faire. Je pense, vous prenez un produit en, point X, c'est moi qui est le principal grossiste qui vient le prendre. Mais il y a des possibilités de savoir où passe le sucre. Mais si on n'y met pas les moyens nécessaires pour essayer de, de veiller, de tracer ou de suivre, mais il est évident que les populations vont subir. Parce que tout surcoût sera supporté par le consommateur, par le Sénégalais lui-même. Et vous pensez que nous pouvons rester comme ça, les bras croisés L'État devrait laisser ces, euh, spéculateurs, n'est-ce pas euh, Laisser les populations à la, merci de ces spéculateurs. Non, il faudrait réagir, réagir fortement, utiliser les forces de l'ordre. Pour... on a les possibilités aussi de, veiller à cela. Hein. y Créer des mesures parce qu'à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Si on ne le fait pas, euh, en plus de cela, vous avez l'augmentation euh, des, loyers. Hein. Les gens ne vivent plus, hein. les gens sont fatigués, il faut le dire. Et ça, l'État devrait prendre conscience de cela. Voilà. Mais pour en savoir davantage, iriez-vous jusqu'à dire qu'il faudra un audit de la chaîne Audit de la chaîne, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'État doit avoir le ministère du Commerce mhm. devrait avoir une possibilité de veiller avec la douane, hein, la gendarmerie, de veiller à ce qu'il y ait une bonne traçabilité des produits qui viennent, qui rentrent et puis qui, euh, rentrent dans notre pays à, quel prix, vendus à quel prix. Mais il faut également, même sur le plan interne, si tu prends l'exemple du sucre, que nous puissions savoir également à combien le sucre sort de la compagnie sucrière, à combien ce sucre est vendu, combien de quantités qui mais ça c'est possible. Hein? Il en est de même pour d'autres produits. Mais si euh, rien n'est fait, mais écoutez, on, est dans, on nous dira qu'on est dans un environnement libéralisé, c'est vrai, mm. mais l'État a le devoir de protéger ses, populations. Vous suivez le grand jury, notre invité Maudit Guiraud, secrétaire général de la CNTS, la Confédération euh, nationale des travailleurs du Sénégal, président de la Confédération syndicale internationale CSI. Afrique. Le constat aujourd'hui, Monsieur Guiraud, les organisations syndicales, savent avoir euh, perdu de la vitesse, hein. euh, c'est ce qui se dit. Euh, le mur des lamentations de certains travailleurs, les activistes et les mouvements citoyens, ça vous interpelle Écoutez, je pense chacun joue sa partition. Mm. Les, activistes jouent leur rôle en tant qu'activistes. Les politiciens font la politique. Nous, nous faisons ce que nous devons faire. Parce qu'en fait, ce que nous contrôlons, à qui nous devons rendre compte, ce sont nos militants et nos militantes, à nos affiliés, parce que c'est eux qui cotisent pour nous. Donc on est à côté d'eux, sur l'ensemble des questions qui se posent à eux. Quelquefois sans bruit, mais avec efficacité, parce que ce qui est important pour nous, c'est le résultat. Le résultat, il est plus important que peut-être de venir euh, devant les plateaux, de crier, puis de, de manifester. Parce que la manifestation fait partie également de notre de notre ADN, mais il faudrait que si ces manifestations que nous pouvons faire, ces manifestations, que nous tenons compte seulement de l'environnement dans lequel nous sommes. On ne voudrait pas donc euh, perturber, euh, autre mesure, donc euh, le climat social dans notre pays. C'est une responsabilité que nous assumons. Est-ce que vous voyez Parce que, mais, quand nous alertons également, nous estimons que ceux qui sont en face de nous, les autorités également, nous écoutent. Mais quand ces mêmes travailleurs euh, semblent vous tourner le dos pour aller vers les activistes et les mouvements euh, citoyens, euh, ça devrait pousser à réfléchir. Non, ils ne tournent pas le dos. Je pense que les, les, travailleurs, les, les, les, travailleurs vont là où ils pensent. Tous ceux qui viennent leur dire qu'on peut régler votre problème, ils vont. Mais ils peuvent distinguer le vrai du faux. C'est ça le plus important, mais on ne peut pas euh, empêcher à des activistes, à d'autres de faire ce qu'ils ont à faire quand même. C'est leur, chacun sa responsabilité. Mais nous, ce que nous vous disons, c'est qu'en tout cas, nous ne pensons pas que les travailleurs nous tournent le dos parce que nos, nos, nos, nos adhérents augmentent. À la synthèse, au moins. Le vrai du faux, voudriez-vous dire que souvent certains font fausse route parce que euh, ce sont les syndicats qui ont plus la possibilité euh, d'apporter une solution aux problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Absolument. Vous savez que le syndicat, nous ne pouvons pas faire certaines choses parce que simplement nous, devons un droit de, nous avons un devoir de vérité à l'endroit des travailleurs. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer pour nous, non. Parce que ceux qui sont en face de nous, que ce soit l'État, que ce soit les emplois, c'est des partenaires avec lesquels nous discutons régulièrement, nous négocions souvent. Donc, quand euh, d'autres prennent ces revendications, parce qu'également ils sont saisis par des travailleurs, n'est-ce pas Et quelquefois même des travailleurs qui ont épuisé toute la chaîne, hein, toutes les procédures. Ça aussi, on, nous le voyons. Bon, ils sont libres de le faire. Je pense que ça, on ne peut pas, en tant que syndicat, dire non.